Hein, ce matin, à la présidence de la République, ils sont quatre nouveaux ambassadeurs à remettre au chef de l'État leur décision d'accréditation à la République du Niger. Deux accords de coopération ont été signés cet après-midi par le gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a signé ces accords respectivement avec la Commission climat pour la région du Sahel et avec la Confédération suisse. Quatre nouveaux ambassadeurs ont donc euh, présenté ce matin leur lettre de créance au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Il s'agit des ambassadeurs de la République du Tchad, du Royaume du Danemark, de la Suède et de la Confédération suisse. La cérémonie de présentation des lettres de créance obéit à la tradition protocolaire diplomatique qui voudrait que chaque ambassadeur nommé dans, par son pays présente auprès du chef de l'État hôte sa décision d'accréditation. Le résumé avec euh, Ismaël Dauda et Yazir Rabio. Grand ballet diplomatique ce matin au palais de la présidence. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu les lettres de créance de quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, tous accrédités à République du Niger. Son Excellence Abdelkerim Abdoulaye a traversé le premier la haie militaire. Il a présenté sa lettre de créance au chef de l'État en qualité d'ambassadeur de la République du Tchad au Niger diplômé d'un master en études diplomatiques et relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, Abdelkarim Abdoulaye présente une expérience professionnelle riche et variée. Il est, depuis 2015, assermenté près de la Cour d'appel de Paris. C'est un spécialiste de l'Afrique subsaharienne et consultant au secrétariat d'État aux migrations suisses. Passionné des lectures, du voyage et du sport, le diplomate parle le français, l'arabe et l'anglais technique. Son Excellence Christian Kierkegaard Edinger est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Danemark auprès de la République du Niger avec résidence à Ouagadougou au Burkina Faso. Parlant l'anglais, le français, le portugais et le néerlandais, Christian Kierkegaard Edinger est diplômé d'un master en éducation internationale et études du développement et d'un master en études de langue espagnole. Les diplomates danois est depuis février 2019 envoyé pour le Sahel, Afrique, département des politiques et du développement au ministère des Affaires étrangères de Copenhague au Danemark. La Suède est désormais représentée au Niger par son nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire avec résidence à Bamako au Mali, son Excellence Inger Christina Kunel. Née le 4 juin 1967, la diplomate suédoise était de septembre 2017 à mai 2021 conseillère au département de la politique étrangère et de sécurité à la représentation permanente de la Suède auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Elle est diplômée d'un Master of Science in International Business Administration et parle le suédois, sa langue maternelle, l'anglais, le français et le portugais. Enfin, c'est au tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération suisse auprès de la République du Niger avec résidence à Abuja au Nigeria de présenter ses lettres de créance. Nicolas Lang a étudié le droit aux universités de Berne et de Genève et a été admis au bureau du canton de Berne en 1988. Le diplomate suisse a occupé plusieurs postes à l'international et depuis novembre 2013, il est commissaire avec le titre d'ambassadeur de la 32e conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Après une courte mission de soutien au processus de paix au Mozambique, en automne 2017, le Conseil fédéral le nomme chef de mission en Angola, où il été en poste depuis 2018 avant d'être nommé ambassadeur de Sao Tomé et Principe. Il est marié et père de deux filles. Par ailleurs, le président de la République, euh, Mohamed Bazoum, a accordé deux audiences peu après cette euh, cérémonie de présentation des lettres de créance. Le chef de l'État s'est d'abord entretenu avec une délégation d'opérateurs économiques nationaux conduite par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger avant de recevoir dans l'après-midi l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Niger. Retrouvons Ismaël Davda et Yazir Rabiou. C'est en prélude à la tenue de leur assemblée générale qui aura lieu demain à Niamey que ces opérateurs économiques conduits par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger ont décidé de rencontrer le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum. Une audience qui leur a permis d'échanger avec le chef de l'État de certains problèmes que rencontre le secteur privé malgré les efforts enregistrés dans le domaine de la fiscalité, de l'industrie et des BTP pendant les deux années du président Mohamed Bazoum. Nous avons vraiment échangé avec euh, le président de la République et les ministres euh, sectoriels qui étaient là. Et vraiment, nous pouvons vous dire que nous sommes totalement satisfaits, en tout cas, de ces discussions. Mais le plus important, c'est que ces discussions vont continuer. Le président va instruire, en tout cas, pour que ces discussions continuent et pour que des mesures, en tout cas, idoines soient prises pour que le secteur privé nigérien soit renforcé. Mais le président aussi nous a demandé de l'autre côté, il faut que l'économie, les acteurs économiques nigériens aussi se modernisent et qu'ils s'investissent dans tous les secteurs. Là, vraiment, nous l'avons dit, les acteurs du secteur privé sont prêts, mais comme partout ailleurs, ils ont besoin de l'accompagnement politique, ils ont besoin du soutien politique. je crois qu'aujourd'hui, nous avons entendu un message totalement positif, en tout cas qui était favorable en tout cas, à l'accompagnement du secteur privé et à prendre les mesures nécessaires en tout cas, pour accompagner et impulser ce secteur privé. Avec Catherine Ingleherd, ambassadeur de Grande-Bretagne au Niger, l'entretien apporté sur la visite prochaine du président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, à Londres, où il assistera à l'intronisation du roi Charles III qui aura lieu le 6 mai 2023. Nous avons échangé un tout petit peu sur euh, la cérémonie, ce que le, président peut attendre euh, à Londres et bon, bien sûr un peu sur l'histoire du, Royaume-Uni. Euh, c'est une cérémonie dont euh, nous serons très fiers. Nous avons profité de l'occasion aussi pour parler un tout petit peu des rapports bilatéraux entre le Royaume-Uni et le Niger. Je suis très content que euh, lors de la visite du, président d'échanger avec le, notre ministre de l'Afrique, M. Andrew Mitchell, qui était ici en visite euh, tout dernièrement, au mois de, février. Il y aura aussi une table ronde pour le président avec des sociétés britanniques, ensemble avec des, institutions pour le, le financement pour le développement. La visite du président de la République, Mohamed Bazoum, à Londres sera l'occasion de favoriser et d'encourager les rapports économiques entre le Royaume-Uni et le Niger, a conclu la diplomate. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2023, dite session des lois de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés ont procédé à l'examen et à l'adoption de cinq projets de ratification de loi. C'était sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Kala Rankoro, Nadia Projet de loi Ratification de l'ordonnance numéro 2023-004 du 10 février 2023 autorisant la ratification de l'accord de prêt pour un montant n'excédant pas 1 million de dollars US sur les ressources du Fonds de solidarité islamique pour le développement pour le financement du programme régional de la cartographie de la fertilité des sols a été adopté à 115 voix pour, 0 contre et 0 abstention quant au projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-005 du 10 février 2023 autorisant la ratification de l'accord de mise en œuvre du programme pour un montant maximum ne dépassant pas 300 millions de dollars US entre la République du Niger et les États-Unis d'Amérique par le biais de la Millennium Challenge Corporation MCC pour le financement du programme visant à réduire la pauvreté la croissance économique au Niger, il a été adopté à 120 voix pour, 0 contre et 0 abstention. 103 pour, 0 contre et 0 abstention, c'est le résultat du vote du projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-005 du 2 mars 2023 autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant maximum équivalent à 333 millions 330 000 unités de compte signées entre la République du Niger d'une part et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement d'autre part pour le financement du projet de développement des centrales solaires et d'amélioration de l'accès à l'électricité RANA le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-007 du 2 mars 2023 autorisant la ratification de l'accord de prêt pour un montant maximum équivalent à 3 520 000 unités de compte et du don pour un montant n'excédant pas 29 810 000 unités de compte signées entre la République du Niger et le Fonds africain de développement pour le financement du projet de développement de centrales solaires et d'amélioration de l'accès à l'électricité RANA a été voté à 189 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Enfin, le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 2023-008 du 9 mars 2023 autorisant la ratification de l'accord de prêt numéro 2022-008 PRNG 2023-0600 pour un montant de 7 milliards de francs CFA et de l'accord de gestion de dons numéro 2022 104 Bardon FVCNG 2023 0700 d'un montant de 15 milliards 906 millions de francs CFA signé le 31 janvier 2023 entre la République du Niger et la Banque ouest-africaine de développement pour le financement du projet d'aménagement hydro-agricole avec des pratiques agricoles intelligentes et résilientes au changement climatique, voté à 87 pour, 0 contre et 0 abstention. Après le vote, le commissaire du gouvernement exprime sa satisfaction. Quand on regarde euh, la cartographie de ces accords, il y a deux qui sont sur la sécurité alimentaire, un sur la croissance économique et deux sur l'accès, la disponibilité de l'énergie. Et le total de ces trois accords, avec un maximum bien sûr, euh, compte tenu des fluctuations de, de dollars, un maximum a été accordé au gouvernement de 283 milliards de france CFA pour financer les objectifs du développement économique et social en milieu rural à travers la mise en œuvre conséquente du programme de Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. C'est pour nous, au gouvernement, une opportunité de saluer la diligence avec laquelle vous avez ratifier ces cinq accords et qui permettent vraiment de mettre en route le programme de développement économique et social. Les travaux en séance plénière reprendront le jeudi 4 mai 2023 à partir de 9h30. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a présidé en fin d'après-midi la réunion de présentation de l'avant-projet de la stratégie nationale de développement du capital humain SNDCH 2023-2026 et de son plan d'action, un document d'une importance capitale et qui contribuera au développement socio-économique euh, du Niger. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le Conseil supérieur de la communication a célébré cet après-midi à Niamey la journée mondiale de la liberté et de la presse. La commémoration de ce 30e anniversaire est placée sous le thème Façonner un avenir de droit, la liberté d'expression comme moteur de tous les autres droits de l'homme. reviendrons également dans nos éditions de demain. Le Conseil économique, social et culturel a signé ce jour, 3 mai 2023, un protocole d'accord de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement. À travers ce partenariat, les deux institutions s'engagent à travailler ensemble afin de soutenir les populations nigériennes et de créer un cadre de coopération adéquat. Pascal Sessou Gauthier, Imran Boubacar Maïga. C'est un nouveau départ pour le Conseil économique, social et culturel, CESOC. Cette signature de convention de partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. En effet, cette institution aura désormais l'appui précieux du PNUD pour mener à bien sa mission. Cette signature pour nous permettra de préserver ces acquis de collaboration que nous avons ensemble et aussi de renforcer cette dernière ainsi que les capacités euh, du CESOC euh, lui-même. Euh, en tant qu'institution. Ça va nous permettre de mettre en œuvre aussi euh, les objectifs de développement durable qui, vous le savez, sont importants pour tous les pays qui, ont, qui l'ont entériné en 2015 et dont les échéances arrivent en 2030 et de renforcer leur ancrage. Le CISOC et le PNUD vont donc œuvrer ensemble dans un cadre plus formel afin de mieux servir les populations. Signature euh, qui nous réunit en ce moment, vise à améliorer le document du protocole initial pour prendre en compte certains points d'intérêt communs et les nouvelles missions assignées au CESOP par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, lors de l'installation de la troisième mandature le 24 février 2023. Le programme des Nations Unies pour le développement s'engage d'être davantage aux côtés des autorités nigériennes afin de les soutenir partout où cela s'avère nécessaire. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hassoumi Massoudou, a procédé cet après-midi à la signature de deux accords de coopération au nom du gouvernement de la République du Niger. Le premier accord a été signé avec la Commission climat pour la région du Sahel et le second avec la Confédération suisse. Mamoudou Idrissa Suleiman Wali. Il s'agit d'abord de la signature d'un accord de siège entre le gouvernement du Niger à travers le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et la Commission climat pour la région du Sahel par son secrétaire exécutif. Par sa diplomatie et son leadership dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique, le Niger abritera désormais, à travers cet accord, le siège de la Commission climat pour le Sahel de l'Union africaine. Je voudrais également relever et saluer tout particulièrement l'engagement constant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Niger, sous l'impulsion et l'engagement soutenu de son Excellence Hassim Massaoud, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, ce qui a permis au processus de franchir aisément plusieurs étapes cruciales. Pour le ministre d'État, chargé des Affaires étrangères et de la coopération, c'est une marque de confiance, une preuve de l'engagement du Niger dans la lutte contre les effets du changement climatique au Sahel c'est l'aboutissement d'un processus qui permet d'accueillir au Niger cette structure d'une importance stratégique pour nos pays dans un contexte marqué par les effets du changement climatique qui viennent exacerber certaines situations de crise, en particulier dans la région sahélienne. Notre pays ainsi que ses partenaires du continent ont dès lors jugé nécessaire de promouvoir leur coopération par la mise en place d'une institution dédiée pour mener une diplomatie climatique afin d'aboutir à des solutions adaptées à notre sous-région et mettre en œuvre des politiques publiques soutenues de résilience des populations et de leurs moyens d'existence. La deuxième signature d'accord relatif à la troisième phase du programme rural d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement a intervenu entre le gouvernement de la République du Niger et la Confédération suisse représenté par son ambassadeur. Un ambassadeur qui a réitéré l'engagement de son pays à poursuivre les efforts d'accompagnement dans notre pays. Avec un budget de près de 19 millions de francs suisses, soit plus de 11 milliards de francs CFA, cette troisième phase vient prouver l'engagement de la Suisse dans le secteur de l'hydraulique et assure euh, le gouvernement du Niger et les acteurs du secteur euh, eau et hygiène et assainissement qu'elle va continuer à être un acteur sur lequel le Niger peut compter dans l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 6. Le ministre d'État Assimi Massaoudou s'est fortement réjoui de la qualité de la coopération entre le Niger et la Suisse. Le rehaussement de son budget pour sa phase 3 à hauteur de 18 700 000 francs suisses, soit 12 milliards 454 200 000 francs CFA, pour la période allant d'octobre 2022 au 31 décembre 2026 témoigne de son importance pour nos deux pays. En réitérant notre satisfaction pour la qualité de notre coopération, je voudrais, au nom du gouvernement et du peuple nigérien, adresser notre gratitude à l'endroit du gouvernement et du peuple helvétique pour les différents appuis que ne cesse d'apporter à notre pays il faudrait le dire, la diplomatie nigérienne joue pleinement un rôle transversal au-delà des questions diplomatiques. Elle œuvre inlassablement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Et puis nous avons sur ce plateau une invitée. Il s'agit de mademoiselle Balkissa Daura. Elle est membre du comité d'organisation du festival Les, Mille, Les et une bouffe festival qui se tiendra à partir du 5 euh, mai prochain au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Bonsoir mademoiselle Balkissa. Bonsoir monsieur pourquoi avez-vous créé ce festival euh, Le festival Émile et une bouffe a été réfléchi pour euh, combler un vide existant pour célébrer la, gastronomie nigérienne, la culture culinaire du Niger. Et euh, je dirais la soif ou la faim de voir des mets typiquement nigériens mis en avant. Chaque année, à chaque édition, nous avons un nouveau thème et le thème de cette année, c'est la valorisation euh, des sources alternatives, euh, sources protéiques alternatives et écologiques. Pourquoi le choix de cet homme Pourquoi le choix de cet thème Parce qu'il y a un véritable besoin de protéger notre patrimoine végétal à travers la protection de notre patrimoine euh, culinaire. Mademoiselle Bakissa, quelle autre signification de nouveau à ce festival pour le développement de notre pays, le Niger Alors nous voulons faire ressortir l'importance de la gastronomie euh, sur les systèmes alimentaires, leur évolution notamment. Et des thèmes seront abordés le samedi 6 mai, des panels, des conférences, de la cuisine alternative, du un concours culinaire, une fusion entre euh, la, cuisine italienne et la cuisine euh, nigérienne, parce que cette année encore, nous, nous avons la chance d'être parrainés par le Haut Commissariat à l'initiative 3N, l'ambassade de l'Italie, et c'est co-organisé par une grande ONG qui s'appelle Weltehingel Health, WHH. Euh, hmm. Et quel intérêt pour le grand public à travers l'organisation de ce festival Mais écoutez, le grand public, c'est vous, c'est moi, c'est tous les acteurs, qu'ils euh, qui soient euh, des, organismes internationaux ou, nationaux, c'est la famille. C'est un espace qu'on a créé qui sera intense euh, pour la famille. Il y aura des espaces pour les enfants. Ils vont apprendre l'art culinaire. Ils auront la chance de même faire des, des, petits concours culinaires, les enfants. donc on l'a réfléchi, on l'a très bien réfléchi au début sur trois jours, mais ça va être tellement intense que ça va rester sur deux jours et vous aurez besoin du dimanche 7 pour vous reposer. Et justement, pour terminer, quel appel avez-vous à lancer à ce grand public euh, À ce grand public, je dirais très simplement, tout bol de baobab que vous buvez, c'est un arbre qui a pris 8 ans ou 10 ans pour donner ses fruits, euh, protéger la nature, vous convenez avec moi, veut dire protéger aussi euh, le patrimoine culturel. Donc euh, voilà, protection des ressources naturelles merci, mademoiselle Batissa. Je rappelle que vous êtes membre du comité d'organisation du festival Les Mille et Une bouffe euh, Festival qui se tiendra du vendredi 5 au samedi 6 mai 2023 au centre de conférences internationales Mahatma Gandhi et de Yamé. Merci pour votre participation restez avec nous pour euh, la suite de ce journal. Le Conseil consultatif euh, national ad hoc de politique fiscale désormais effectif. C'est le ministre des Finances qui a officiellement lancé les membres de ce conseil qui s'inscrit dans le processus de refonte et de simplification de la réglementation fiscale. Le résumé avec euh, Jocelyne Amoussou et Imran Boubacar Maïga. Cette cérémonie officielle d'installation des membres du Conseil consultatif national ad hoc de politique fiscale marque également le démarrage des activités de ce Conseil qui regroupe les représentants du secteur privé et des administrations publiques. Il a pour mission de donner des avis et orientations à l'État pour l'appuyer dans le processus de refonte et de simplification de la réglementation fiscale. L'objectif est de parvenir à mettre en place une réglementation qui fiscale bien sûr, simple, transparente et surtout incitative et équitable pour tous et surtout adapté à nos réalités économiques. Afin d'atteindre cet objectif, le ministère des Finances s'est engagé à l'amélioration du système fiscal à travers une reprise de la législation et de la modernisation de l'administration fiscale pour concrétiser la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Mohamed Bazoum, pour euh, aller d'une fiscalité centrée vers la mobilisation des ressources, vers une fiscalité de développement, c'est-à-dire qui fait la promotion des actions de développement. Dans le cadre de cette réforme profonde et structurelle, le Niger bénéficie et a toujours bénéficié dans l'ensemble des autres réformes du soutien et de l'appui de ses partenaires. Le directeur général des impôts, Mohamed Mal Ousmane, dans une présentation, a apporté plus d'éclaircissement sur la réforme du Code général des impôts. La priorité pour l'année 2024 reste l'allègement de fonds du système fiscal, entre autres la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé ce matin à Niamey l'ouverture d'un colloque de réflexion sur l'adaptation de l'agenda Femme, Paix et Sécurité au contexte changeant euh, du Sahel. Ce colloque a pour objectif de repulser et de réajuster les approches. Rachida Ousmane ce colloque de réflexion sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité marque le début du projet leadership des organisations féminines. La rencontre entend capitaliser le rôle des femmes dans la consolidation de la paix afin de bâtir une paix durable. Lors des conflits et lors des situations de crise, les femmes et les enfants constituent plus de 84% des victimes. C'est pourquoi les solutions durables à ces crises doivent inclure ces actrices elles-mêmes pour être les maîtresses de leur changement, le changement souhaité et désirable pour elles-mêmes et leur communauté. Il est donc essentiel de développer des stratégies et des approches de prévention des conflits et de construction de la paix qui se nourrissent des expériences des femmes en renforçant leur participation à tous les niveaux des processus de prise de décision. L'implication de la femme sur les questions de sécurité peut limiter les conséquences ou même prévenir les conflits. Les femmes nigériennes, notamment celles vivant dans les zones en conflit, ont joué et continuent de jouer un rôle important dans les processus de prévention et gestion des conflits, la lutte contre l'extrémisme violent et dans la culture de la paix et de la coexistence pacifique des communautés. Le gouvernement dis-je, est engagé à renforcer ce potentiel des femmes. La ministre en charge de la promotion de la femme appelle les partenaires techniques et financiers à soutenir l'initiative afin d'élargir les zones d'intervention pour un impact durable. En fin de mission au Niger, l'ambassadeur de la République du Sénégal, Paul euh, Benoît Sarr, a été élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger. C'est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargé de l'intégration africaine qui a présidé la cérémonie de décoration. Hassimi Abdoulaye Mohamed Soumana. Paul Benoît Sarr hier mardi demain 2023 au rang de commandeur dans l'ordre du mérite du Niger, en présence de ses pairs des autres pays, des représentants des organisations accréditées au Niger, des cadres du ministère des Affaires étrangères et de ses compatriotes. En effet, après deux ans de bons et loyaux services au Niger, l'ambassadeur de la République du Sénégal est en fin de mission dans notre pays. Durant votre mandat, vous avez œuvré à travers vos multiples actions à donner un contenu et un sens à cette coopération dans tous les domaines. Je voudrais donc vous assurer, Monsieur l'Ambassadeur, que vous laissez au Niger le souvenir d'un diplomate déterminé et engagé pour des missions qui lui sont confiées, dont la courtoisie, la simplicité, a contribué au raffermissement des liens de fraternité, d'amitié et de coopération entre nos deux peuples. Tout émis par cette marque de considération honorifique, le diplomate sénégalais a remercié tous ceux qui l'ont aidé à accomplir sa mission au Niger. Selon lui, beaucoup de choses vont lui manquer. En quittant le Niger, tout diplomate a un pincement au cœur. Car ce qui marque vraiment au Niger, et là je le dis de façon sincère, c'est d'abord l'espace. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, c'est l'espace au Niger. Donc, il y, a un espace vital. Voilà, dès que tu arrives, tu sens ça. Ensuite, il y a l'hospitalité africaine des Nigériens. Ils sont, d'une hospitalité vraiment légendaire. Ainsi que leur nature foncièrement courtoise et sereine. Et le, le cousinage à plaisanterie. Ensuite, Paul Benoît Sarr a été félicité par tous les invités à cette cérémonie. Il quitte ainsi le Niger avec le sentiment du devoir accompli. Le Niger continue de rapatrier ses ressortissants du Soudan ce jour, mercredi 3 mai. C'est une vague d'une quarantaine de personnes qui a été accueillie à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. C'était en présence de nos reporters Hawa Maman et Ousmana Saniab. Une quarantaine de ressortissants ont foulé le sol nigérien aux environs de 17h heure locale en provenance du Soudan où la violence armée fait encore rage dans le pays. L'opération d'évacuation s'est déroulée dans de meilleures conditions grâce à la bonne collaboration des autorités tchadiennes. C'est vraiment un soulagement pour qui connaît euh, voilà, ce qui se passe euh, à Khartoum, euh, un contexte très difficile. C'est vraiment un sentiment de soulagement pour nous. je l'imagine également pour eux de, de pouvoir se retrouver. Euh, avec leur, euh, leur famille au euh, Niger aujourd'hui. Nous avons, par ce fait, pu accomplir les missions assignées par le chef d'État, de la République, qui a instruit le budget d'État, et qui était en contact avec toutes les parties, avec tous ceux qui pouvaient aider, ceux qui pouvaient aider à réaliser cette opération. Remercions aux autorités du Tchad, autorités du Tchad qui nous ont aidés, nous ont soutenus à travers leur ambassade à Khartoum, euh, à sortir ses compatriotes de la, de cette zone difficile de Khartoum et de les amener dans une autre localité où il a été possible de les rapatrier, de les ramener sur N'Djamena, avec la logistique du Tchad. Manifestement accablés, ses compatriotes rentrent chez eux tout à fait réconfortés, laissant derrière la peur engendrée par le conflit. Nous remercions nous remercions les autorités nigériennes, particulièrement le président de la République, et ensuite particulièrement aussi à nos ambassadeurs du Caire et du, Tchad aussi qui, nous ont mis en relation avec, euh, avec ceux du, du, Tchad au Soudan. Vraiment nous remercions Allah et nous remercions tous ces gens-là qui ont fourni des efforts pour nous faire sortir de cette situation. C'est la deuxième opération d'évacuation organisée par les autorités nigériennes. Une première vague d'une quarantaine de ressortissants nigériens a été acheminée le 26 avril 2023 à Niamey. Le Conseil des Nigériens de France à CONIF a tenu le samedi dernier la quatrième édition de la journée culturelle nigérienne de France avec le parrainage de l'ambassade du Niger. Lors de cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la concorde nationale, une conférence débat sur le thème paix et sécurité au Sahel a été organisée avant les prestations de plusieurs artistes nigériens et de renommée. Gérard Atlasis. Après une trêve de trois ans causée par la pandémie de la Covid-19, le Conseil des Nigériens de France, CONIF, renoue avec la Journée culturelle nigérienne de France en tenant le 29 avril 2023 à Paris sa quatrième édition. Parrainée par l'ambassade du Niger, cette manifestation culturelle s'inscrit dans le cadre de la journée de la concorde nationale célébrée six jours plus tôt, le 24 avril précisément. Cadre fédérateur, cette rencontre permet à la diaspora nigérienne de France et même de toute l'Europe et des communautés d'autres pays vivant dans l'Hexagone de se retrouver sous le rythme de la musique nigérienne en vue de renforcer non seulement l'unité et la cohésion entre Nigériens, mais aussi et surtout de promouvoir l'intégration africaine. Ainsi, pour planter le décor de cette quatrième édition de la journée culturelle du CONIF. S'est tenue une conférence débat sous le thème paix et sécurité au Sahel. Commençons par la culture. Un thème qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité compte tenu de la situation qui prévaut dans les pays du Sahel. Ainsi, pendant plus de deux heures d'horloge, le journaliste écrivain spécialiste du Sahel, Sédic Abba, professeur émérite André Bourgeot et le vice-président du CONIF, Aboubakar Loketa, ont posé toute la problématique de sécurité au Sahel. Le second tableau de cette journée culturelle fut le spectacle pour lequel la diaspora nigérienne de France s'est fortement mobilisée. À l'affiche, des artistes de renom comme Yakubo Moumouni Didankerenke, Bombino, Nourat la Deboslam ou encore Ali Achibili, avec un lever de rideau, une prestation des artistes de la République démocratique du Congo, pays invité d'honneur de cette quatrième édition. Initiative louable saluée par l'ambassadrice du Niger en France, Mme Kani Boulaman. Vous avez le soutien total de son Excellence le Président de la République, Mohamed Bazoum, et son entière disponibilité à vous accompagner dans vos initiatives constructives de l'unité et du développement national. Cette journée culturelle du a été aussi marquée par une exposition photo de la ville de Zender en 1900 et la remise de distinction à certains acteurs, dont le défunt Younous Ouseni, représenté par son fils. Des acteurs ayant œuvré pour la création de ce cadre de retrouvailles. Il est annoncé que tous les artistes invités ont été reçus dans l'après-midi du dimanche 30 avril à l'ambassade du Niger par la diplomate Mme Kanyachet Boulama, qui a organisé une réception en leur honneur. C'est sur ce que se referme ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir euh, suivi. Excellente euh, suite euh, de programme sur Télé Sahel. Bonsoir.